droits de la femme. C'est une journée consacrée aux droits de la femme. Droit à l'éducation, droit à la santé, droit à l'égalité, droit à l'équité. Ces droits fondamentaux sont abordés le 8 mars. Le 8 mars, c'est dénoncer les questions de harcèlement sexuel, c'est dénoncer. Les questions de viol, abandon de foyer, coups et blessures volontaires, violences faites aux femmes. Je pense que même si aujourd'hui on ne peut pas dire en 2023 que les droits de la femme sont effectifs, mais cette journée elle est fondamentale en ce sens qu'elle permet aux acteurs qui accompagnent les femmes, qui soutiennent les femmes, de consacrer une journée où il n'est question que des droits de la femme. Il n'est question que des étapes. Lorsque nous évoquons la problématique des droits de la femme, c'est pour aussi dénoncer tous ces droits bafoués. Est-ce que la stratégie abordée est, payante Est-ce que la stratégie abordée est la meilleure Pas nécessairement. Je pense que le 8 mars, on devrait pouvoir faire le bilan D'abord, les bilans de certaines lois, le bilan de certaines insuffisances. Est-ce que malgré que eh, la journée internationale, une journée est consacrée à la femme, il n'y a pas de répudiation abusive au Niger Est-ce que l'existence de chaque journée empêche les viols partout et sur tous les terrains, que ce soit sur les terrains, d'opération de guerre, que ce soit sur les terrains de paix. Est-ce que, malgré l'existence de cette journée, il y a de plus en plus de filles scolarisées Est-ce que cette journée fait le bilan des harcèlements, sur le harcèlement des femmes au travail Non. Toutes les, problèmes, les thématiques qui portent atteinte à la femme, il n'y a pas de réduction. Il y a de plus en plus d'exploitation, de plus en plus de femmes dans les rues, dans la prostitution, dans toute forme d'inégalité. Mais le fait que la journée existe, le fait qu'on en parle, ça fait découvrir la situation de précarité et de vulnérabilité de la femme. Donc on ne peut pas dire que ce soit une journée inutile. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous les médias sont focalisés sur des thématiques en lien avec les droits de la femme. Donc on considère que ces journées, peut-être que la manière de les aborder n'est pas la plus appropriée, mais la journée a son utilité. L'éducation est inéluctablement liée au progrès social et économique de n'importe quel pays à travers le monde, mais en dépit des progrès significatifs enregistrés dans les différentes régions du monde et au Niger en particulier. L'accès des femmes à l'éducation et surtout leur maintien dans les structures d'apprentissage resterait limité que ceux des hommes créant ainsi un déséquilibre lourd de conséquences l'égalité du genre est donc l'objectif fondamental de la politique du genre adoptée par le Niger depuis 2008. Et c'est dans ce cadre que l'État du Niger, avec l'appui de ses partenaires, œuvre inlassablement pour la promotion de l'éducation de la jeune fille en particulier. C'est un programme qui vient renforcer les efforts de l'État dans le domaine du maintien de la jeune fille à l'école. Ce programme et orienté dans les secteurs de la recherche agricole, la biotechnologie, la biologie moléculaire et dans les autres domaines également de la formation spécialisée technique et professionnelle. Il vise la promotion de l'éducation des filles brillantes à l'école, mais issues de familles démunies. Ce programme, c'est un programme de bourse d'excellence de la CEDAO donc vous conviendrez avec moi, de est financer par la CDAO à travers le centre de la CDAO pour le développement du JAR Donc peuvent bénéficier de ce programme les candidats qui remplissent les conditions de vulnérabilité, comme il est dit, des filles et garçons brillants dans des filières scientifiques. À cet effet, une brochure a été élaborée que nous avons mise à la disposition de nos directeurs régionales. Donc, quiconque peut postuler prendre attache à nos directeurs régionales de la promotion de la femme et la promotion de l'enfant dans les huit régions. Le programme d'appui à la promotion des filles dans l'éducation a réduit considérablement la souffrance de ces jeunes. Les émotions sont énormes car l'appui, ça m'a permis d'être à l'abri de beaucoup de choses, m'a permis d'être dépendante, c'est-à-dire payer mes frais de scolarité, mes fournitures, m'inscrire à l'ESCAE pour suivre des cours d'anglais, engager des répétiteurs pour me dispenser les cours. Je payais un moyen de déplacement grâce à l'appui. Et aussi, j'ai eu la chance de rencontrer des hautes personnalités, à savoir les membres de la CDAO, qui viennent chaque année pour superviser et qui font aussi des visites à domicile. En tout cas, les avantages que j'ai tirés via cette bourse que j'avais acquise au niveau de la CDAO, ça m'a vraiment impacté du point de vue et sociaux économique et académique. parce que eh, moi, je suis vraiment quelqu'un qui est ici d'une famille vraiment pauvre. Et je crois bien que eh, ça m'a beaucoup impacté, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir poursuivre les études. Grâce à cette bourse d'études de la CDAO, ces jeunes garçons et filles portent aujourd'hui haut leurs rêves et aspirations après des années d'adversité. Si vraiment, si ce pas avec l'aide de la, CDAO, là, je crois bien que je ne fais que... J'allais en tout cas suspendre les études à ce niveau parce que je, je n'ai aucun moyen en tout cas pour pouvoir et études supérieures. L'avantage, c'est un peu inestimable. Quand ça m'a appris de couvrir tous mes besoins sur le plan de l'éducation. La CDAO, je n'ai pas trop de mots ni d'expressions qui peuvent suffire pour les remercier. Je remercie tout le personnel du ministère ainsi que les membres de la CDAO qui sont comme une famille pour moi ils m'ont aidé dans beaucoup de choses. J'encourage les filles à se battre, à persévérer, c'est-à-dire à se battre pour ce que l'on veut. Conscient de la nécessité d'agir, le centre de la CDAO a décidé de se joindre aux côtés des autorités du Niger à travers le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant pour améliorer la prise en charge des filles et garçons en scolarité issus des familles indigentes. C'est bientôt le mois béni de Ramadan et les prix de certains céréales comme les mil, les maïs, les sorgho et les haricots restent encore stables depuis cinq mois. En effet, c'est bien connu de tous que la période de Ramadan est particulièrement marquée au Niger par une consommation de céréales. Cette préférence de consommation des céréales pendant le mois de Ramadan s'explique par le fait que les céréales occupent une place importante de l'habitude alimentaire d'une grande partie de la population nigérienne. Le premier vice-président du syndicat des céréales nous a assuré que toutes les dispositions sont prises pour couvrir la demande en céréales et pour permettre aux populations nigériennes de gêner de la sérénité. En ce qui concerne les céréales, ils sont disponibles dans le marché et nous, à notre niveau, on n'a rien augmenté par rapport au prix. Nous nous sommes obligés d'emporter les céréales pour satisfaire au moins la demande des consommateurs. S'agissant de la commercialisation, le marché est un peu statique, ce qui nous pousse à appeler la population de venir en procurer, car le prix est abordable. Le prix des mille et le maïs varie de 20 000 à 21 000, le sorgho à 27 000 et le haricot à 30 000. La disponibilité des céréales et la faible demande des consommateurs caractérisent l'état de la vente de céréales sur les marchés en raison de la situation socio-économique morose qui prévaut en ces moments. Euh, à Golos niveau pastoral Ouest Niger est un projet financé par euh, l'Union européenne et mis en œuvre par euh, Enabel. Donc le projet a pour objectif de renforcer la résilience des les communautés pastorales et agro-pastorales eh, na wasu du Niger. Wannan daji saboda shi haƙo ne zalla shi aka kamo na gina ka ci mun ka to a taho na a yi mana shi bisa ga saboda mu raya wannan daji. Amfanin shi dai saboda dabbobi mu na cikin wannan daji na mu na baffa salut sami rail salut da su saboda su sami ciyawar da suka bisa ga activité mise en œuvre par le projet robot dans le département de Bouchi c'est surtout euh, la récupération des terres en s'appuyant sur l'approche IMO, haute intensité de, main-d'œuvre, et les activités régénératrices de revenus à travers la distribution des kits. Euh, et au vin auprès des bénéficiaires. raguna ba mu da shi yanzu sai mun kafa inuwa mun kaɗar mai shi duk tutun da ya yi muna muna kwashe shi muna kai ga daji in mun ka kyaye shi ya girma kaga in mun ka mun ka sai zuwa sai mu sayo karami in mun ka so karami kingin kuɗin can za mu jirkita da su muna jari muna sana'a da su kaga muna da yare 'yan Elle a intervenu sur l'environnement et à ce qui concerne l'environnement vraiment ils ont restauré euh, près de 200 hectares sur le même site de Bafa. Donc cette aire était en tout cas dégradée à peu près à 80 c'était un terrain nu complètement dégradé. On a vu donc le terrain est récupéré. Donc, euh, et on a fait un plan de gestion environnementale et sociale donc, qui a inclus toutes les coûts sociales pour voir comment continuer à, gérer ce site-là pour que ça ne puisse pas se dégrader, de l'avenir. L'activité de récupération des terres, il s'agit de la réalisation des de lignes pastoraux avec les plans d'arbres et l'ensemencement sur le site de Bofa, bien sûr, à Dovenkidia. Mais dans la rue de Matankari, il s'agit exclusivement de la lutte contre les plantes envahissantes, notamment le sida cordifolia, où il faut les rappeler et faire euh, l'arrachage. Donc on est presque a mis parcours en tout cas de, la mise en œuvre du projet. Et je pense que d'ici la fin du projet 2024, nos objectifs seront atteints. Ah, Le travail artisanal consiste à transformer une ou plusieurs matières premières à un produit fini dans le but de procurer un service utile. La réalisation de ce produit fini fait appel à un savoir-faire particulier qui tire généralement sa source dans l'art du maniement des mains. L'artisanat est en plein essor au Niger et se caractérise parle des créations de nouveaux produits adaptés aux besoins des populations et en phase avec la modernité. On trouve sur l'ensemble du territoire nigérien de nombreux accessoires de décoration des maisons, des bureaux, des habillements et divers articles. Euh, ici, nous avons 25 métiers qui sont exercés. L'artisanat, c'est vraiment le travail à la main, comme on dit, qui permet de vraiment à à l'artisan de, se prendre en charge lui-même. La commercialisation des produits de l'artisanat, d'abord nous, avons deux marchés, euh, le marché local et le marché sous-régional aussi, donc le marché international. Euh, pour, ce qui est du marché international, ça va parce que les gens connaissent vraiment nos produits, ils apprécient. Mais là où le, le bas blesse, c'est le marché local, le marché national où, les gens euh, ont des réticences par rapport à la consommation des produits nigériens, qui sont d'ailleurs vraiment des produits spéciaux, si je peux le dire, parce que quand vous achetez un produit, il n'y euh, a, pas d'effet, il n'y a pas d'effet sur la, sur la santé. C'est des, des, produits qui sont, qui sont sains, qui peuvent vraiment euh, contribuer à l'amélioration de la santé de l'être humain, de, la société en, en tant que telle mais quand même, euh, quand vous prenez les, produits importés, par exemple de, la Chine, ils affectent vraiment la santé des gens. Quand vous prenez par exemple les chaussures, et ça affecte généralement la, santé des gens, parce que les gens ont toujours euh, du mal, à, les plantes des pieds, ça chauffe. Alors que quand vous portez les chaussures en cuir, vous n'avez pas ces, soucis. Donc les difficultés qu'on rencontre dans le métier, c'est des difficultés d'ordre euh, de production parce que nous sommes dans un monde où on est en train de converger vers la ZLECAF, la mondialisation. Euh, donc nous avons ici au Niger euh, des entreprises qui sont très artisanales, donc qui ont un faible taux de, production qui est un peu dérisoire quoi, parce que le besoin et le besoin de, à l'exportation est énorme, alors que la production sur le plan national vraiment elle est très réduite. Donc c'est là où nous avons le souci vraiment d'acquérir de, nouvelles euh, euh, machines, de nouveaux, de équipements pour, euh, pour la transformation. Les produits artisanaux nigériens sont de plus en plus connus à l'étranger et les performances de nos artisans sont de mieux en mieux appréciées. La production artisanale reste cependant faible et c'est précisément cette raison qui a amené le président de la coopérative du village artisanal de Odata à lancer cet appel. L'appel que nous avons à lancer aux autorités, c'est vraiment de nous aider dans l'acquisition de nouveaux équipements qui vont nous permettre d'avoir une très bonne production euh, et, puis euh, à la population du euh, Niger de consommer de s'intéresser plus eh, à, ce qu'on fait ici à la maison, c'est-à-dire euh, les produits de l'artisanat nigérien. Il convient de noter que le secteur artisanal contribue moyennement au PIB au Niger et est le deuxième pourvoyeur d'emplois après l'agriculture. Le développement de l'artisanat pourrait donc jouer un rôle important dans l'économie nationale si la population se conscientise à la consommation locale et les décideurs donnent un coup de pouce à cette activité. je pense que les 8 mars devraient pouvoir faire le bilan de certaines choses. Le Niger fait partie d'un des rares pays où tu peux te lever après 30 ans de mariage, répudier une femme verbalement, lui arracher ses enfants et l'abandonner à son triste sort. Je pense que le, les 8 marches devraient nous permettre de nous dire pourquoi on ne codifie pas certains droits de la femme au Niger. Pas forcément pour dire non, un code de la famille, mais je pense qu'en l'état actuel de la situation de la femme, le 8 mars devrait aborder, non pas nécessairement cette année, c'est le digital qui est abordé, mais il y a combien de femmes nigériennes qui savent même ce qu'est le digital. Même le thème de la journée du 8 mars, ça ne cadre pas avec les besoins et les difficultés de la femme nigérienne. Qu'au moins au niveau national, qu'on puisse aborder les questions qui touchent réellement aux femmes les femmes sont violentées, elles sont agressées, elles sont abandonnées et vous ne pouvez pas, euh, vous n'avez pas une idée du nombre de femmes abusivement répudiées, le nombre de femmes qui n'ont pas accès à la santé, accès à l'éducation, accès à la scolarité, 8 mars devrait aborder. Parce que ça, ce sont des droits fondamentaux qui ne devraient pas être nécessairement abordés le 13 mai. Le 8 mars, on parle de droits. Quelle est l'effectivité des droits de la femme Est-ce qu'elles ont un accès équitable à la justice Est-ce qu'elles ont un accès équitable à la santé c'est ces questions-là qui devraient être abordées et qui ne sont pas abordées. Donc, est-ce que la stratégie est bonne Non, moi pour moi, non. on devrait pouvoir se focaliser sur un certain nombre de droits constitutionnels consacrés à la femme nigérienne, mais qui ne sont pas effectifs. Aujourd'hui, on parle de l'accès à l'emploi via le quota. C'est des questions qu'aujourd'hui, j'aurais aimé que les associations féminines nous nous focalisons sur la loi sur le quota pour évaluer la loi sur le quota. Elle est effective Elle est appliquée Est-ce qu'elle a permis qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans les hautes fonctions judiciaires, beaucoup plus de femmes dans les fonctions électives, beaucoup plus de femmes à l'Assemblée, beaucoup plus de femmes dans l'exécutif On parle de droit. On devrait pouvoir évaluer les lois qui consacrent des droits à la femme au Niger et qui ne sont pas effectives je leur suggère à un moment de se pencher sur la problématique de l'effectivité des lois qui consacrent des droits au Niger. Le 16 juin prochain, la loi sur le viol aura 20 ans. La loi sur le harcèlement sexuel aura 20 ans. La loi sur l'esclavage aura 20 ans. En 20 ans, combien de femmes ont pu porter plainte contre le harcèlement sexuel En 20 ans, combien d'auteurs ont pu être euh, euh, poursuivis, jugés, condamnés pour harcèlement sexuel, pour viol, pour excision, pour castration Il y a tellement de lois qui feront 20 ans en juin prochain que les femmes devraient faire le bilan de ces lois Est-ce qu'on légifère pour protéger ou on légifère pour être en conformité avec les normes internationales Est-ce que lorsque nous adoptons la loi sur le harcèlement sexuel, la loi sur le viol, est-ce que nous nous préoccupons réellement de, de, de, de, la violation des droits des femmes nigériennes ou bien nous légiférons parce que les partenaires internationaux nous l'imposent. Je pense que c'est des thématiques qu'il faut aborder, c'est des problèmes qu'il faut poser et qu'il faut évaluer. Il est temps qu'on évalue une grande partie des lois qui ont été adoptées par le Parlement. Et je continue de penser que même si nous sommes capables au Niger aujourd'hui en 2023 de codifier l'ensemble des pratiques coutumières favorable à la femme et de disqualifier l'ensemble des pratiques coutumières des En 2023, on ne devrait pas pouvoir se débarrasser de sa femme verbalement après 30 ans de mariage, ce qui s'est fait. Parce que très souvent, malheureusement, le législateur nigérien légifère plus pour faire plaisir tenir compte des besoins sociaux de la femme. La plupart des textes, par leur procédure, sont inappropriés au contexte culturel. Aujourd'hui, on est dans une situation, par exemple, où une femme mariée, une femme mère qui porte plainte pour coups et blessures volontaires contre son mari cette femme n'aura plus de foyer. On est encore dans une étape où une femme qui ose porter plainte contre le harcèlement ou le viol, c'est elle qui va être stigmatisée. Donc il faut qu'en légiférant, le législateur crée les conditions pour qu'une femme puisse dénoncer sans que son identité ne soit révélée. Tant que nous n'allons pas changer la procédure, l'approche en matière de plainte, en matière de poursuite sur certaines infractions comme le harcèlement, comme les coups et blessures volontaires entre euh, mari et femme, comme le viol, en fait, les lois vont être votées, mais elles ne seront pas appliquées. Ni les acteurs ne sont pas prêts les auteurs et les victimes ne sont pas également prêts. Donc il faut que lorsque le législateur prend, adopte un texte, que ce texte soit le plus proche possible et tienne compte des présenteurs socioculturels, du contexte culturel, de la coutume et de la réalité. Lorsque vous légiférez, lorsque votre définition du viol est identique à la définition du viol en France, cela va de soi que dans l'application, des problèmes vont surgir. Or, nous sommes en train de plaquer des textes, nous sommes en train de copier des stratégies, nous sommes en train de, singer des plans d'action. Et c'est pour ça que cela ne marche pas. Mais lorsque le législateur va s'asseoir, regarder sa communauté, regarder son contexte culturel, écrire un texte lui-même en tenant compte de tous les facteurs socioculturels et pesanteurs, en ce moment, les lois seront efficaces. Mais tant que les lois seront transposées, importées, elles ne seront pas effectives. Leur application, en tout cas, posera problème. Et aujourd'hui, en matière de viol, en matière de viol, le législateur dit que ce soit le mari, que ce soit le petit ami, quiconque contraint une femme à, des relations sexuelles, c'est un viol. Il n'y a aucun magistrat nigérien, homme, prêt à appliquer ce texte. Il le conteste même sur les réseaux sociaux, même si le rôle du magistrat n'est pas de contester eh, comment le bien fondé d'une loi. Donc, de par les définitions, il faut savoir définir, il faut savoir créer des circonstances aggravantes, des circonstances atténuantes, et surtout, il faut savoir définir conformément au, contexte culturel. C'est extrêmement important. En fait, nous voulons eh, suivre l'évolution du monde sans que nos lois s'adaptent. Nous voulons en même temps être une société moderne en conservant tout ce qui est pratique néfaste, tout ce qui est pratique qui réduisent la femme à l'esclavage, qui réduisent la femme à un être inférieur. Notre coutume, notre religion, tant bien de communauté nigérienne, il faut admettre que la femme est infantilisée. Or, le monde a changé. Aujourd'hui, petites filles et petits garçons ont les mêmes droits. Je pense que ça, c'est la société doit changer son regard sur la perception qu'elle fait de la femme. On ne peut plus continuer à infantiliser la femme nigérienne. Or, dans bien, même au, au sein des familles, la femme est infantilisée et tant que vous continuez à l'infantiliser, vous ne le verrez pas comme un être entier. Il est important que la femme soit vue comme un être entier, capable de se défendre, capable de réclamer, capable de revendiquer et que la femme reste l'égale de l'homme dehors. Et il faut aussi que la société fasse le distinguo dans les revendications des femmes. Au Niger, on fait un très mauvais procès aux femmes activistes et aux femmes qui réclament l'égalité. L'égalité que nous réclamons, ce n'est pas une égalité au sein de la famille, ce n'est pas une égalité au sein du foyer. Dans nos communautés et dans nos foyers, nous sommes fiers de la culture et du modèle familial africain. L'égalité que nous revendiquons, c'est surtout une égalité des chances de l'accès aux, fonctions. Il n'y a pas de raison que je sois à l'école avec mon camarade garçon et qu'au moment d'accéder aux emplois, que mon statut de femme me défavorise. C'est cette égalité. Il faut que la société accepte que sur le plan professionnel, la femme a les mêmes compétences que les hommes. Les femmes sont capables des mêmes prouesses que les hommes. Hors de l'imaginaire collectif, parce que l'homme est physiquement plus fort que la femme, forcément au niveau intellectuel, on veut réduire et infantiliser la femme. Donc je pense que la société a un rôle à jouer dans l'effectivité des droits de la femme, que la société accepte que ce qu'un homme peut faire professionnellement, une femme peut le faire. Je souhaite une très très bonne journée du 8 mars à mes, à, mes tantes, à mes mamans, à mes petites soeurs, à mes filles, à mes nièces. Je continue de dire que ne soyons pas uniquement des femmes du quota, soyons des femmes euh, euh, comme du savoir, soyons des femmes de la courtoisie, des femmes de l'élégance, des femmes du mérite. Ne croisons pas nos doigts pour demander aux hommes de nous donner. Lèvons-nous, battons-nous et méritons notre place dans la société. auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite sat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500.